Nous dañu ñëw tey am mbégte fekk si euh, le PM délégué délégué spécial chargé des parrainages de notre candidat quand même le président Macky Sall ñu ñëw tey remettre ko première lot bi nga xamante ni 3 j pour l'émergence euh, am na ko ci première lot ci ay Tirum. ci ak biir réseau bi nga xamante ni ñi ngi koy liggéey ci biir réew mi parce que ku nekk xam na ni sama base naturelle Hann bel la mais tey li yàlla def mooy am nañu département Dakar Pikine Guédiawaye mais am nañu Thiès ba Koul ba ginnaaw Kër Masamba am nañu Tamba am nañu Touba alors que yooyu yëpp mooy jëkk a ñëw Nous avons deuxième déposé première 1750 Nous deuxième lobby très rapidement euh, yu ci sax mais xam nga bu fokk nga euh, bala parce que tamit affaire bu sérieux affaire la kon euh, n'importe quoi contribution de son réseau qui est un réseau important de femmes et d'hommes et de jeunes travailleurs. Euh, nous le savons, sa base c'est à Anne Belair, où la pêche est extrêmement développée. Euh, et euh, je voudrais également saisir l'occasion pour rendre un hommage à vraiment l'engagement de l'honorable Mousli, son engagement politique, son engagement aussi pour le développement et sa constance dans l'effort. Euh, c'est un exemple que toutes les jeunes filles et, femmes devraient suivre, même si elle n'a pas eu l'opportunité de faire un cursus universitaire. Elle a une expérience solide qui lui donne une expertise, qui fait que d'ailleurs elle est, aujourd'hui invitée dans beaucoup, beaucoup de conférences internationales. C'est aussi un modèle et c'est avec plaisir aujourd'hui que je recueille, euh, disons, les parrainages euh, qu'elle dédie au président de la République. Comme elle a expliqué, le travail a été bien fait. Elle n'a pas seulement recueilli, mais elle a trié, elle a sélectionné. Donc c'est un travail euh, fini, affiné et fini euh, qu'elle nous apporte. C'est comme ça qu'elle travaille d'une manière générale et je voudrais saisir l'occasion euh, pour vraiment la féliciter au nom de notre candidat, le président Macky Sall.